11h à Niamey et partout au Niger, chers auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce numéro euh, de, votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Samira Rafi et à mes côtés Ali monkel Ouseni alias Seno pour la présentation. Bonjour Seno. Bonjour Samira. On eh bien, chers auditeurs, on fait un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitrine. La technique est assurée par Issa Lawali et à l'édition, nous avons euh, Adama Dawaki. Comme vous le savez, cette émission commence toujours par le flash d'information suivi d'une bonne dose de musique nigérienne. Ensuite, il y aura la chronique Loti avec le desk femme du studio Kalangu, la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour Adam Sariou. Sans oublier la culture linguistique et bien évidemment notre rubrique hebdomadaire d'éducation numérique qui parle aujourd'hui de la Ring City. Vous avez demandé ce que c'est, eh bien restez câblés, ça sera avec Ousmane Mamoudou, le responsable du desk numérique du studio Kalango. Eh Samira, tu n'oublies pas quelque chose là ah oui, <laughs> l'invité du jour. Et eh oui, dans la rubrique Entretien, nous avons réalisé pour vous le roi du poulet rôti à Bamako. Il s'agit de Zabeiru Issa, un Nigérien promoteur de l'entreprise Hausa Chicken. Il fait la promotion de la grillade de poulet à la nigérienne dans la capitale malienne. Alors installez-vous confortablement, on est parti pour une heure de bonheur. Sans trop tarder, voici le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Samira Rouafi, bonjour Ali Moukela Ousseini. Bonjour, alors Mokhtar, euh, quelles sont les nouvelles du matin Voilà euh, le flash d'information de ce jeudi 23 novembre 2023 à présent. Les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, FESPA en abrégé, ont célébré la victoire des forces armées maliennes ayant libéré Kidal au Mali hier soir à la place de la résistance. Elles sont nombreuses, les femmes nigériennes, celles du Mali et du Burkina Faso, à se réunir pour célébrer sur fond d'animation culturelle la victoire à la suite de la libération de Kidal au Mali. Cette soirée s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Mali au Niger, du consul du Burkina Faso au Niger et de plusieurs représentants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Une vingtaine de boutiques du grand marché de Difa à l'est du Niger sont parties en fumée à la suite d'un incendie euh, mardi 21 novembre aux environs de 19h. Les sapeurs-pompiers ainsi que les bras valides venus à la rescousse ont en effet eu du mal à accéder au lieu du sinistre du fait de l'encombrement du marché. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est seulement le quartier des vendeurs de téléphones qui a été attaqué. La cause du sinistre n'est toujours pas, n'est toujours pas connue, a expliqué le secrétaire général du gouvernorat de DIFA. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, dite session budgétaire, au titre de l'année 2023 se sont ouverts hier mercredi 22 novembre à Abuja, au Nigeria cette deuxième session du Parlement communautaire aura à son agenda l'examen du budget consolidé de la CDAO, des différents rapports des projets et aussi des diverses institutions et agences de la CDAO. Ces travaux permettront enfin au Parlement communautaire de délibérer sur les questions qui sont clairement importantes et urgentes pour la sous-région et le continent africain. Il s'agit euh, des sujets comme l'état de l'économie dans l'espace communautaire, l'état de la démocratie régionale et les dans la paix et la sécurité régionale. Et c'est tout pour le flash d'information de ce matin. Merci Mokhtar et bonne journée. Surtout, reste à l'écoute pour la suite de notre émission. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous allons écouter avec vous l'entretien avec Zoberu Issa, un Nigérien vivant au Mali. Depuis plus de 20 ans, il est le promoteur de l'entreprise House Chicken et il fait la promotion de la grillade de poulet à la nigérienne dans la capitale malienne. Le Mali, c'est loin, Samira. Et oui, le Niger sur Kalango ne s'arrête pas qu'aux Nigériens qui vivent sur le sol, mais aussi à ceux de la diaspora. Donc avant d'écouter cet entretien que tu as eu l'occasion de réaliser, savourons la première musique de notre, de notre sélection d'aujourd'hui. Voici une compilation de Haruna Pompazo Libore. Pompazo, Liboré, joyaux, intemporel de la musique traditionnelle nigérienne émerge-t-elle un phare dans l'océan euh, des artistes. Sa voix teintée d'histoire résonne en Zarma. À travers ses chants, il devient le conteur des sagas ancestrales préservant la riche, le riche plutôt patrimoine du Niger. Et oui, ses œuvres sont une ode à la culture nigérienne, un héritage musical qui restera gravé dans le cœur des Nigériens. titre de Pampazo, passons à présent à l'entretien avec euh, Zoberi Issa, promoteur du House Chicken à Bamako, au Mali. Et eh oui, il est le premier à proposer hein, aux clients ce genre de main à la nigérienne. Aujourd'hui, il est très populaire, n'est-ce pas, Mira On écoute. ni dan Nijar ne kuma mazauni Mali. To muna sanin tun wace shekara kake garin? To tun day nake nan Mali. Eh, day zauki yanzu kenan kusan shekara ashirin da uku ko da biyu ake ca da uku ko to tun a lokacin nake nan mali to muna sanin me ya baka kwarin gwiwa barin gida ne jar ka zo nan to ke san shi dan adam duka arziki na duka yanda duk Allah ya rubuto sai ka tai sai ka tai tunda wani kana tahiya ba wai ran babu abin bida bane garin ku kake zuwa wata kasa. to Allah in ya rubuto sai ka tau sai ka to lalle na zo nan ga da sunan zakwa neman kuɗi kuma kin gani Allah ubangiji ya sa kuma Allah ya zama nan ga To muna sanin wane irin matsaloli kai fuskanta san da ka shigo wanga gari? To ka san matsalolin da ake fuskanta an ka zo ga ƙasa a lokacin da ba ka jin yaren ƙasa kana iya fuskantar matsaloli na rashin jin yare kayan ka ji yare. To gaskiya alhamdulillah tun lokacin da Allah sa kuma ni ji yare kuma ni ta samu sana'o'i na yi sana'o'i kala kala to a dai yanzu a ce alhamdulillah. Idan eh, saboda yanzu ina da sana'a tsayawa da nake yi. Kayan mu yi magana biskan tsaye sana'a da kake muna yi sanin da ka zo da mi ka hwaga mi ka yi da wani yin abu kuma. Eh to lalle ni dai eh, kowane zo nan gani wanzami ne. Na zo nan na yi aski bayan na yi aski 'yan shekaru kuma ni koma ni shiga ina da wani mai gida muna aikin wata tare da shi wato da yake aikin wata har yau har gobe muna aikin wata tare to sai dai aikin ne da ya yi sanyi kaɗan ma ba da bayan haka nan kuma yanzu sai ni shiga wani aiki na kaji to shi nake yi yanzu a halin haka da ina da yaro kusan goma sha wani abu waɗanda ke aiki karkashi na. to yaya kake tafiyar da wannan aikin na sana'a kaji ko me a sunan ma'aikatar taka. to sunan ma'aikatar da abin da muka rubuta shine mai hausa chicken kaman kaji hausa chicken muka rubuta kaman chicken da yanan gale ne to haka muka rubuta bisa ga uh, masana'anta da duke duk wanda ya gani kiliya duk wanda ya gani ya ga hausa cikin rubuce da ya san namu ne. mu kawai ke da wannan sunan da yake masu kajin sunya amma dai nan mali ni na fara wannan aiki nan mali amma da yake yanzu masu yi shidiya suna da yawa gaskiya to su yaran da ke a karkashin ka yan garin ne koko yan gida ne da ka ɗauko ka zo da su to akwai yan gari ina tare yan gari kuma ina tare yan ƙasa saboda in ka zo a ƙasa dole alaci la sai ka nemi yan ƙasa waɗanda za ka aiki tare da su kuma bai hana doko don saboda majority dai na yan Nijar ne amma kuma akwai yan Mali duka ina tare da kowane saboda ke san wanda ya zo daga gida shi ya san abin da ya kashe in ya zo zai iya aike shi bakin gaske shi to wani in ka ɗauki yaro da nan ga da ya ɗan kwana biyu sai ya ga kamar abun bai mai sai ya rabu da shi shi yasa yaro ya kawo aiki in ya rabu da kai yau babu yadda za ka yi kayan ka samu wani tsayi kuma to don haka yasa kowane akwai akwai na gida akwai na nan ina aiki da kowane to ita sana'a na ga alama kamar tana ga samun karbuwa ta yaya ne aka samu wannan abun koko dan yana abu ne da ba a sani ba yadda ake gasa kaji ne a Niger da ba sani ba shi yasa aka samu karbuwa eh to abin da yasa gaskiya ko da muka fara shi gaskiya ba san shi ba nan saboda kaji da suke gasa suna gasa shi a cikin mashin ne wannan wanda aka mazaya wannan muna aiki da kuran to da suna yi da shi mu kuma sai mu haka wannan eh, ide shi fara saka ide ko mu haka wannan ra'ayin muka sa to da muka fara to sai su ga cewa ga kajin da muke gasa sun yi wa'ancan daɗi saboda kaji wanda za a gashi da kuran da wanda za a gashi da wuta ba guda ba ne kuma kayan da muke sa musu su ba su iya sa musu ga wancan to sai suka dai bincika da cewa wannan gashin da muke yi kajin sun yi daɗi haka nan to shi yasa yanzu abin ya samu karbuwa cikin ƙasar mali gaba ɗaya kowane waje kowane region kaje na mali kana iski wannan kajin ana unguwan da su haka nan ina so in sani a wuri guda ne ake gasa kajin koko akwai wurare daban-daban a nan cikin garin bamako da kuka bude wurare no ina da wurare ne cikin garin bamako suna kai kamar guri guda biyar haka sai in ce miki ko shida e eh, suke na cikin garin bamako to nan ake gyarawa don gaba ga ni ga gyarawa gaban idan wannan ake gyara komi da komi in aka kare aka yi sallah azara aka kare sai kowa ya dauki nashi kaya ya je wajen shi ya gasa ya gasa can sai suwa in lokaci ya zuwa kare ɗaya na dare ko zero sun kare sai kowa ya yi gida To yanzu ga ini yana kai kamar kaza nawa da ake gyara. To sadefan kin san kasuwa wani bi akwai ranakun da sun yi wata rana kasuwa wani bi dai daga tsakanin kaza 100 kaza tamanin kaza sadefan har zuwa 150 da wata rana ana iya a gyara. Ta hanyar wannan sana'a taka ta gashin kaji ta yadda ake yin shi a gida Nijar akwai wasu alherai da ka samu. wallahi alhamdulillah an samu alheri tunda da inda zan ga ƴaƴanka na ƴaƴan yannanka da ƴaƴan yannanka mata na maza da 'yan uwanka duka suna zakkuwa ko zo kuma yana samu alheri yana koma gida sai ka ce alhamdulillah ole da ka kira ka ce wani aiko min kaza in ga dan ɗanka yana aika maka ka gani shi ma wani alheri ne dan ɗanka ya yi ma kai ne kuma ya yi ma iyali shi kuma ya yi ma ma'ahin shi ga shi ma wani alheri ne alhamdulillah tunda duk sana'a da ka samu kake ɗaukar gidanka kana ɗaukar na wasu to sai ka ce alhamdulillah an samu alheri sosai Chers auditeurs, avant de continuer, soufflons euh, pour digérer ce House Chicken à musique avec le titre Isaharo de la diva Fatima Rico. le titre Isaharo » est un morceau qui ne manque pas d'énergie et de caractère. La voix unique et puissante de la diva Fatima Rico nous amène dans un voyage musical riche en émotions grâce à sa performance vocale. Exactement, et dans ce titre qui parle du fleuve Niger, des bienfaits de cette richesse que la nature nous a offert. Mais euh, malheureusement, le fleuve Niger est menacé par l'ensablement ces dernières années. Voilà le fleuve Niger chanté par la diva de la musique nigérienne. Il s'agit bien de Fatih Mariko. Chers auditeurs, nous poursuivons l'entretien avec euh, Zabeirou Issa. Dans cette deuxième partie, il nous en parle de son rêve pour le Niger et de sa cohabitation avec le peuple malien. aiki cikin rayuwa ta yau da kullum ban suna nan tare da kai ne koko suna gida eh ni magidanci ne ina da mata uku biyu na nan guda tana gida kuma ina da 'ya'ya duka suna tare da ni na to su yaran suna nan karatu nan ga koko so kake ka da su gida su yi wani abu can koko nan dai ne kai ma kake ganin rayuwar su ta zuwa daidai to shi yaro yana ya hijin daɗin rayuwa kusa ga ma'aihin shi yanda ko karatu ka sa shi in yana ganin ma'aihin shi zai yi kuma muna iya mu taimaka musu da bakin kokarin mu muna iya mu doka musu makaranta wadda take za su iya su yi karatu cikin kwanciyar hankali bakin kokarin mu insha Allah muna bisa wannan to wani irin buri a gare ka nan zuwa gaba to wallahi alhamdulillah ke san duk dan adam yana da guri sai dai ya radda mutu in ya kare ni ina da gurin rika da yawa saboda ina da gurin koyo Allah hore min abin da zan yi ina da gurin in ga na je nayi yi wani abu na bunƙasa wani ci gaban ƙasa a Nijar ko yau na samu kuɗi ina da wannan gurin wanda zan iya in yi wani abu Nijar wanda yake da ci gaba ne ga ƙasar mu ba wai don muna zama nan ba abin da muka yi no in yau na samu hali ina bukata a ce in wani izin ne in wani dai wani sosote dai na buɗe a Nijar wanda zai iya kawo ci gaba a Nijar haka muke rayuwar mu haka muke so kuma kullum muna kwana da wannan muna tashi da shi insha Allah to yaya zamantakewa ku take da mutanen garin nan to wallahi alhamdulillah a wanga lokaci da muke yanzu zan ce miki tsakanin mu da yan kasar nan babu dai wani damuwa ba mu da wata matsala da mu da yan kasar nan muna fahimtar juna sosai da yake mun ji yaran juna kuma kin gani yanzu da sai in ce miki a halin yanzu ma da ake sai in ce Mali Niger sun zan kamar ɗaya ne tunda alhamdulillah ba wani abun da yake kawo mana wasu matsaloli babu shi gaskiya dai mursu zai zama muna zama lahiyar su to madalla ko akwai wani sako ko wata gaisuwa da kake son ka kai ga mutanen gida na can to wallahi gaisuwa da nake so in ba su na farko dai ina kira ga yan Nijar duka halin da kasar mu take cikin yanzu muna roƙon Allah duka Nijeriya gaba ɗaya mu yi haɗin kai saboda haɗin kai shi ga ikamu mana cigaba wawwatsuwa wasu nan wasu nan ba yanda za a iya samu cigaba abin da muke roƙo ga Nijeriya na gida da na waje da na gida da na waje kowa da kowa mu zan uwa ɗaya uba ɗaya wayanda Allah azabu da shugabannin nan na yanzu mu yi musu tarbiyya mu musu biyayya mu san su ne shugabannin mu in mun yi wannan to insha Allah mu yi dan Nijar kakka nuna ban na son wani ban na son wani a aje wannan a yi Nijar Nijar ita ce avantu inda ka yi duk abin da ka yi duwar ka so wani bai iya maka Nijar amma in ka so Nijar tana ita yi komi amma in ka so wani shi bai ma Nijar kenan da haka duk abin da muka yi mu aje komi da komi wani maganganu waɗanda ba su da daɗi zuwa shugabanni da wasu maganganu masu ka tashi hankali duka ya kamata a ce mun aje su mu sa ƙasar mu gaba shine zai kawo mu da ci gaba abin muke kira ga 'yan Nijar kenan na gida na waje. To Madala mun san cewa kana jin yaren garin ga To muna son a cikin a takaice dai hakan ga a dunkule ko kana iya ba da gaisuwa ga yaren bambaranci ake cako kuma 'yan mali da a can gida Nijar ko wani sako da zaka aika a gare su. Wa ne bisa kanya fo bisa kanya fo maliyan eh, musu gilando Nijar ufana ne fana ga hankil nayi ulu fana be ne cewa ya la paske hankil la an de la k'u mɛn o ka marché la o b'a fɔ ko problème foyi t'u fɛ niger olu sigilen don niger hayira la basi t'u fɛ donc an fana sigilen don tantôt to basi foyi tɛ an yɛrɛ fɛ donc niger mali an hakili an kɛra kɛlɛn ye an kɛra kɔrɔ dɔgɔden ye donc ne bolo olu fana an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ayi u wulila ka dɛmɛ don niger la cogoya min na an y'a ye an bɛ niger maliyɛn mun bɛ niger an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn u ye mun kɛ niger ye u sara bɛ ala de bolo niger tɛ se k'u sara mɛ an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn vraiment ala k'u sara À présent, soufflez un peu avec le teaser. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Nous sommes jeudi 23 novembre 2023 et les jeudis sont consacrés à l'éducation numérique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un phénomène intrigant qui touche de plus en plus de personnes, le ringsighty, aussi appelé le syndrome des sonneries fantômes. Bonjour Ousmane. Bonjour Mira. Ravi d'être ici pour en discuter. Alors, euh, le ringsighty, qu'est-ce que c'est et euh, peux-tu nous en dire plus sur ce phénomène alors oui, donc le ring society, en fait, c'est euh, un mot qui combine euh, le mot euh, ring en anglais qui veut dire sonnerie et anxiety en anglais qui veut dire inquiétude donc en français. Donc c'est une forme d'angoisse, ça s'appelle une angoisse de sonnerie, une sensation que votre téléphone, souvent on a l'impression que le téléphone sonne ou qu'il vibre, même s'il ne fait rien. Donc il y a une étude américaine qui a révélé qu'il y a pas mal de personnes, on euh, on va pas dire qui en souffrent, mais qui, qui, qui, sont un peu victimes de, de, ce phénomène. Ok, et qui est derrière cette étude alors, le premier à conceptualiser cet aspect, ce phénomène, s'appelle euh, David Laramie, donc c'est un psychologue euh, de l'Université de Californie, spécialiste de la psychologie. Donc, il s'est penché sur les effets des téléphones portables sur notre comportement il y a déjà plusieurs années de ça. Euh, donc, mais cependant, il a écarté l'idée d'une folie généralisée parce qu'on a un peu peur, on a l'impression que peut-être les gens <laughs> pourraient devenir un peu fous en groupe. <laughs> donc, ce qui pourrait toucher plusieurs euh, utilisateurs de téléphones mobiles. Donc, lui, il a écarté cette hypothèse. Il suggère plutôt que ces derniers sont devenus de véritables outils de socialisation, donc les téléphones portables. Alors, le Ring pourrait être lié à notre besoin de rester connecté tout à fait. Alors, de nombreuses personnes euh, entretiennent euh, leurs liens lien avec l'extérieur, l'aspect social, exclusivement par le biais de leur téléphone aujourd'hui. Et donc, le ringsighty, donc ce phénomène euh, d'avoir l'impression de percevoir une sonnerie ou une vibration de son téléphone, pourrait même refléter un besoin de se sentir populaire. Alors, passons maintenant aux notifications. Que disent les chiffres alors, selon l'étude euh, que, le monsieur a étudiée, le psychologue, donc, des données américaines indiquent une moyenne euh, de 240 notifications par jour chez les adolescents, tandis que les adultes moyens en reçoivent 144. Euh, donc, ce qui n'est pas étonnant. que la lassitude s'installe rapidement. Alors, comment cela pourrait affecter notre santé mentale alors, ce phénomène est une forme d'anxiété liée à ces notifications constantes. Donc, hmm. des experts comme d'autres experts donc, qui sont venus vraiment compléter cette étude, comme Jacques Ambrose, qui est hmm. psychiatre aussi et directeur euh, médical principal euh, au New York euh, Presbyterian à, l'Université de Columbia aux États-Unis. lui, il a souligné que cela peut entraîner une augmentation du sentiment d'anxiété et des hmm. réponses psychologiques au stress. Des exemples euh, concrets euh, sont cités, comme euh, entendre une sonnerie qui n'a jamais eu lieu, n'est-ce pas Exactement, donc c'est vraiment ça. lorsque vous croyez entendre une sonnerie ou ressentez une vibration, souvent quand votre téléphone est déposé ou dans votre poche ou dans votre sac, même si ce n'est pas le cas, cela peut être attribué à ce phénomène de ring sighting. Alors, des solutions sont-elles proposées pour lutter contre ce phénomène Oui, alors il y a plusieurs solutions, donc on peut citer quelques-unes comme euh, ignorer certaines notifications en fonction de votre activité, mhm. euh, du moment peut-être euh, qui, qui peut être bénéfique, ou couper les sonneries et les messages du hmm. travail après les heures de, travail. Donc, quand vous êtes à la maison, le téléphone du boulot, on le dépose hmm. pendant le repas et la nuit. Ou réduire le nombre d'applications pour minimiser les notifications totalement inutiles. Mais de façon générale, il faut parfois, je pense, prendre du recul avec nos smartphones pour réduire notre dépendance. Hmm. Merci, c'est bon à savoir, euh, Ousmane. Merci encore pour ces éclaircissements. À la semaine prochaine. Merci infiniment. Alors, chers auditeurs, nous allons encore une fois de plus euh, déguster de la zik et cette fois-ci euh, avec la chanson de Gossi de la Samaria de Gaïa. C'est parti. La émanant de pittoresque Samaria de Gaïa est une véritable perle artistique qui fait l'honneur à la richesse culturelle de la région, laissant une empreinte mémorable dans le monde de la musique. Exactement, rappelons que Mousse Poussy a repris cette même chanson avec des notes et des chœurs plus modernes. Ta belle sonorité musicale, chers auditeurs, direction Maradi, la capitale économique du Niger pour l'écho des régions. Oui, Samira, tu sais, la femme occupe une place importante dans le sultanat de Katsina Maradi, dans la région de Maradi. Elle fait partie des personnalités de la cour à des et à des attributions et à des attributions plutôt pour faire mieux fonctionner les choses, notamment la scolarisation de la jeune fille. Le sultan Al-Haji Ahmed Alizaki nous en dit plus au micro de notre envoyé spécial Asman Aboubakar. Dans le sultanat, l'organisation du sultanat de Maradi, la femme a une place prépondérante parce que la deuxième personnalité du sultanat est une femme, en l'occurrence Ia. Ia, c'est elle euh, en fait qui s'occupe de toutes les activités occultes communément appelé Bori et autres. Donc euh, ça note vraiment la place importante que les femmes ont. Et il y a beaucoup de postes au niveau du sultanat qui sont réservés à des femmes, des femmes battantes, des femmes qui peuvent montrer le chemin aux autres femmes pour se réaliser. Nous savons que Maradi est une région fortement islamisé, avec mm. beaucoup plus de conservation. Quel est le combat que vous menez à votre niveau par rapport à l'émancipation de la femme, surtout qui va à l'école Bon, il y a une réalité qui est là et dont les gens doivent tenir compte, c'est que aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques de l'INS sur la population, vous vous rendez compte que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, partant de ce fait, nous nous sommes en train de sensibiliser la population pour que les gens comprennent que, fait, ces femmes-là, on doit faire en sorte de les scolariser, de les laisser le plus longtemps à l'école et éventuellement de leur permettre d'avoir une profession dans laquelle ils peuvent exercer. Et nous faisons ça de manière euh, vraiment récurrente parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'amalgames autour de la religion pour dire euh, ceci est interdit, cela est interdit. Mais dans la réalité des faits, on permet à ces jeunes filles-là de pouvoir s'éduquer, de pouvoir chercher le savoir, parce que c'est des forces vives de notre communauté. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, accueillons Sariou Adam, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour Seno. Alors débutons cette page sportive avec euh, un point sur les pays africains qui, ont, qui sont engagés dans la Coupe du Monde de moins de 17 ans. Eh bien, Rappelons tout d'abord que les quarts de finale débuteront demain et parmi les quatre pays africains engagés, deux sont déjà éliminés, à savoir le Burkina Faso et le Sénégal. Le Burkina Faso, le jeu dans le groupe E, termine troisième avec trois points derrière la France et les États-Unis. Le Sénégal est éliminé par la France à l'issue des tirs au but. Ce samedi, le Mali et le Maroc vont se rencontrer en quart de finale. Adam, parlons à présent de l'équipe de France et de euh, Yannis Issoufou, un jeune joueur d'origine nigérien qui joue pour la France dans cette Coupe du Monde de moins de 17 ans. Eh bien, une histoire qui prend une drôle de tournure. Sachez que le jeune joueur nigérien Yanis Issoufou, qui évolue dans le championnat de France à Montpellier, a été retiré de la liste de l'équipe de France qui a rencontré le Sénégal en huitième de finale. Adam, tu peux euh, nous en dire plus sur cette histoire Alors, le jeune attaquant de 17 ans, auteur de deux passes décisives dans ce début du mondial, a également joué pour le Niger en U17 lors du tournoi IFOA, qui qualifie à la Cannes U17, qui qualifie donc pour le mondial U17 pour les pays africains. Alors le problème qui se pose à ce niveau est que la FIFA interdit à un même joueur de disputer la même compétition pour deux équipes différentes. Selon plusieurs médias sur le continent, le Burkina Faso, qui a quitté la compétition troisième du groupe E en compagnie de la France, pourrait déposer un recours concernant ce dossier, ce qui pourrait laisser donc euh, des chances au Burkina Faso de revenir dans le tournoi. à faire à suivre. Eh bien, c'est sur ça que prend fin ce feuilleton euh, à demain pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam, à bientôt. Alors, euh, il vient d'être 11 euh, heures euh, passées de 39 minutes et c'est l'heure de découvrir notre star du jour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Zibo Hassan, la cinquantaine, il vend du bois et de seco et autres dérivés au quartier Yantala depuis son jeune âge. Il a appris les ficelles du métier avec son père à qui il a succédé dans ce métier. Son portrait avec notre reporter Omar e dottijano gorgo bunde nera za dappowo go grillage wato ni man gor ka dappo kala mega nongo fokan de karom din ko bor fo no gonde windi en vidde en nodi na se kapin a winde ranil gorgo nera za 80 man ka nodi nin de baba goro aga bunde nera inda go gor charbanda mo kul ne sikka ga babu ganna kin turendi nodi ni ngono ikanda ne yentala kom seri banda wato ni teran public no dan bundu ner kon kon yenta lara kulkai namani dotti jawo jinne amir wir kay bum bono to bundu ner ko sa bizner ko no ngit kan arburate si zankay kulsi ba nongora nera ay wo kanta dotti ja ay kago gorne ay go bundu nera me wato bundo nera do songo na imanta fo kun goyo boray ga bara anafas gumu nigi nigi jinay sambuka gisne kal jina sara astede ko gumgumo koy ni seda no zankai wo man banango ay no kanongora lallai mo ifo jina ka alhamdulillah han fo wargu duwa alhamdulillah me lokco wede ka tirse sande songo jinay taji sigi furo man ta jina ta jo sino bo hankanga daidai no sino amma hal na gonde jina kulku bante wallahi fo jina wat kulku nonda arzak beeri fo kay sir sara me wallahi dan kan ngwa wagin mo jare nigu duwa zamnan kirko ya da mezin lakkano yetino nirko gon ngwandi to bundu hinne no ni ginere wala a gonda yon kan ni go dan abanna ganere lalle ay ginere jine bobo ir ginere bundu iri iro kuddimo ir ginere subu dale tabaram tabaram yan da hankan gi mandiyani kulir ginera had dal bundu yan bumbo ir ginera me songo dal bundo sir se jirbe wo nafa fo no ni duni go yowora alhamdulillah had ni go duni fo jina ir gorgo zuru koy tare gi che cikka in kun kan do tigi tare ka zan kai no guzurno ka gor fugun fogina ce cino lalle mo fogina an foir ko gin wandi man tuwa to kulga kanu in kun dai girko subhanahu ta'ala sabu yan talara kul din zibbu hasan kun no gai bai din sai bai ni gai ba bai gina sai hasan ko neze hasan ko neze wo sin barkan sa bai yan talara kan do tigino dam yan tala izino a goyo rana gor giri wajar kalittun kai in kun mo gor giri bonjar alhamdulillah oh to hassan sendai fono aran gogadigo yora zama goyiwo kulu de borgate sendai wo kai sigan irgo gonda sendai sanda be rogati kai diya hal kai diya to jine sino su du jine hal kai diya ban jine zai na kan na murgu murgu na ganwa da kai diya ban na muka kuma sai ga ga tunan di koi ne to lokacin da ni sandai gono da hanfoyen gono kwar borai wara ga jina hi na ga kwen te aska bana ya sa amma inde dole rig don kyar rig hin kyar suro un kundin go ga tand kan sinda gonda ni kane jine non ba konda ban kai alhamdulillah ban moto wani an no bai yan ga kamar so ha kunno burg diyara nigi diyara dogo ne diyara sande. amma in kunir sandai bero dai jine dai no sino kai diya kaga ganin jina an wa norsin kan dai take yani ga hannu sin da dole ba jina go ga dai sin sin nera amma hannu gonda jinai wallahi ga duno na barka ngi sai gowo irwa ga barka bai ai ga barka di zama arana tun zai go zanka kalai ka ga bayar ga wani zai haigita da an ga nan godi ne gonda wani barka a wai ga bai lalle mai hije hayara gonda bafuna tara alhamdulillah manta gona donda kadde mine reni sinda ada mai zuwa nan kirko ne mai ngwaro da non non ganwa dalil go guduri men waro alhamdulillah amma on kun lok kan rari go sanda kan rari go daga tijine no sirse hal jine sin sai sunera Voilà, c'était là notre étoile du jour. Il s'agit bien de Jibo Hassan. Chers auditeurs, bouclons notre playlist musicale d'aujourd'hui tout en restant dans cette couleur purement traditionnelle pour écouter cette fois-ci mamoudou walam qui nous chante donainoga kanu ndiŋaliyo garaba kine ndiŋaliyo biba baba ndi zaŋ tajeyima ganu zan ta je yi maganu wa kai yan wannan fafaika izini mo magirbi kai ai bunno bo gaga bunan aliyobi ba baba marjaran ne wala si sai jan makunye wala dada bi be jadi wala ben mallo hamani lazare ne kuya so fere lima mo bore kindo duga tema kindo mo duga hau jam gunigarijo haruna widangaya sanera imi kimo wayinyangaise jahado sindanani gamallabiga nere sino wiyando jibiyilla wahijo ne corane sanno ga kungu ganda wi haikulu sina daino jam ka madalla biba baba aliyu biba baba mana nga ngaba dukai ne wi somnai saga haru somnai moto warazza safabibi bi jadi aliyu bi bababa wa fonnai safi goka wa fonnai safi goka tintil mai walla kurana kai izu wai kindo mai hiji bagada da magoro nyongosi ah! jalagoja walla solla arun naga baga ganu gaba ga gano satar kan manna ko ba sai hije farka majante kai Nori. agammi kunye ah no mbore chindo duga tema chindo mo duga hau jam si koboro mana ka la zare no ga kalu kai dai budal ne koyya mana mali fa wa koyde wal koro fa wa koyde wala mamana fa wa koyde wi ham kulakan ga kanu wi kanda masinda wa kai daara mariyo wayiija daara mariyo wo kan mo sooro guddi kuri ñooma sidirga mooru jam ndey mamadou jara maganda ndey managanay koyya wi saagaga guni liboore wi saagaga guni liboore mbaamohono boolaganeesi walkollaba kininiga sayri wala kuuda kininiga sayri wiisaaganaaga fartaadey soboraanooga lala jam ka jaraga lima hiji ay manasa lima kunye da sisai jamma kurnye ki sisai jamma kurnye wundin mana tallu kala tallu amana bindi ya ne ai charwo ai binayo ai ba ko wana binayo dai zalli jo haruna bore cindo duga tema cindo mo duga hau jambu boraise inikimo sahataraise wasanghaurohogana boraise wakoka hanganas ala satara nasarunna watogana gagandai ini baba ya si gandai bogogo bogo bogaide Mamudu zara maganda kawiye da sikwai wadata. zama kare ba da ba kai ma bai kai ni zifi zoro si so galala dai lora ka sa faru kilinyo to sana goyendi ah nori galabo jago gagano wandi kam mana ko ba se bombin dora mafobu haysa eh oui, donnez Gakanu, chers auditeurs, c'est bien de l'artiste Mahmoud Walam. une façon aussi de faire un petit coucou à tous nos frères qui résident de l'autre côté de Walam. Alors, euh, Samira, passons au loti du jour. Exactement, c'est nous. Ces derniers temps, on constate une variation de température entre la journée et le soir. Et euh, en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison. N'est-ce pas, Fantacham Arimi? Hey! yana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira ai kya bari mu gaisa ma ku. Hmm, ai biki san Adnan bane ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Hmm, ikon Allah, na nawai kina da lahiya kuwa? Ke baki san cewa ba, wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheɗa ba? Hmm, kya shi barira, ita sheɗa har da wata cuta gare ta sabon salo kenan. Ke ban son shasharatu. kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar kimina tana tari ko kin manta ga masassara hanci na zuba mantawa fa mantawa da lokacin da ƴata ta kusa rasa rayuwarta to wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon mina likita bai ce miki ba da yar kimina na fama ne da cutar huhu ai ita ma cuta ce ta shida ke an yi haka Kina da gaskiya, amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba. To malama, bari in gaya miki ya baki sabili bai baki sabili ba bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fufu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan tsakaninki da allah barira a bari in kama jikina kai adinan Wuce ka ga in maka wanka ka samu ka sa kaya. Ai ciwo abun gudu ne. Ke tsaya, tsaya nana. Bari zaki har rana ya fito. Ki mishi wankan. Sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi musamman ma waɗanda aka sarrafa su da kaɗa ki kuma sanya musu hula da sosaiti sannan kuma kar ki manta ki rika rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe, ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda. Dan lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda Adnan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, sannin ki da kulawa. To fa, in kunne ya ji? Jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. Chers auditeurs, euh, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Soumana Amadou pour la culture linguistique en, français et en fulfulde. Alors Soumana, quel est le mot du jour oui, Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la réconciliation. Donc, action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux. C'est aussi le rétablissement des liens conjugaux entre des époux en instance de divorce ou séparés de corps. La réconciliation intervient à l'issue d'un conflit. Elle permet de clore définitivement par aplanissement des injustices que des coupables ont fait subir aux victimes. La période des récoltes au Niger coïncide avec la descente des troupeaux dans les champs. Cela cause parfois des conflits entre agriculteurs et éleveurs avec des pertes en vies humaines. Généralement, ils finissent par se comprendre à travers des médiations des autorités et se réconcilient pour pouvoir cohabiter pacifiquement ensemble. Voilà. Donc, euh, on peut aller en Fulfulde. Exactement. Voilà. Donc, euh, et des Fulfulde, en kalena hala, hono nan On on woni fotugol hakkunde himɓe. Hunnon on a un waɗede de himɓe ɗiɗon haɓuɓe naadu ko nan pelle ɗiɗi kaɓuɗe e ɗum walla du ko nan wartirde potal hakkunde goriyo e deki o wonɓe no serodira naadu ko na serodirɓe jatine ndenne nayi kam fondugol himɓe ngol enɗan du watta kena caggal se wolde waɗi ko watta ko tawi hunde fuu ko oto waɗi oɗo ko hamere nde waɗi tawi ɗum ɗo accama kam wonno gacce fuu mo gaccanteɓe waɗi yaade e himɓe gaccaɓe ɓe endan tawi ɗum yafodiri dow mum ɗo leydi niger wakkati kette nde wari ɗum woni wakkati gese golle mum yiɗi fatima wakkati mono forda du konda e dabbaji dillunoɗi garti naata e gese fa ñayna to ɗon endan kille kewɗe fuu remoɓe duroɓe haɓɓe no naata hakkude mumen kaɓe naata hakkude mabɓe fa wakkatiji goɗon woɓɓe no maaya e nder majjum ndenne ne ka caggal ɗum ɗon sewona kamɓe ɓen ɓe joddo e dow ardagal hooreɓe ɓe jiida ɓe kalda ɓe narda ngam batte allah eɓe pondita jonda hakkunde maɓɓe eɗon jeeya e dow fii hono fondugol yimɓe ko wiyete ɗum enɗam Merci beaucoup Soumana pour ces éclaircissements en français et en fulfulde. À présent, écoutons nos auditeurs. Voilà, studio Kolanglavare, ça va parce que Aïgi Hangan, de 18h tôt. ikane shi mu koin mu aigi ma dai ai mu gadi na go aigi fahimi sai dai kaina kaina o aigi ma langa guwa kula ga an france zarma hausa ina sauraron shirye-shiryen ku na studio kalangu kuma yana kawatar da ni o lokaci da sahen na sai in sai na saurare shi haka nan Allah taimaka Allah kuma ya sa duka mu gane shirye-shiryen ku yana burge mu sosai saboda rediyo ne mai kayartarwa mai fatakarwa kuma mai sa al'umma nishaɗi dan haka muna muku fatan alheri da Allah ya ɗaukakar gidan rediyo na ya ƙara bunƙasa shi a baraɗi gaba ɗaya ma da Nijar ba gaba ɗaya. Gaskiya alhamdulillah Allah ɗaukaka shi Allah tabbatar da alheri Allah sa ya ci gaba. To yaya ne ka gani labarin mu? Labarin ku ya daidai saboda Allah. Allah sa ya ci gaba abin kuma Allah tabbatar da alheri. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. C'était un immense plaisir de partager ces une heure de bonheur avec vous. Vous étiez en compagnie de Ali Monkela Ouseni, alias Seno, et de moi-même, Samira Rafi. À demain avec un nouveau numéro et un nouveau dieu. oui, à la technique, c'était Issa Lawali et la grande dame Adama qui était à l'édition. Passez, une bonne, fin, De journée. <laughs>